Euh, atelier de dafa am solo parce que déjà c'est c'est xoolee PSE euh, plan Sénégal émergent axe 3 bi bu intitulé institution gouvernance paix et sécurité walum bonne gouvernance def ci nek def occuper une place centrale or atelier bi ni ngeen ko gissé day wax corruption hein. donc lolu dafa wane né importance atelier atelier bi lu mu am si walum gouvernance donc suñu wax waxum corruption nak du simplement état bi collectivité aussi collectivité territoriale nous euh, occuper un rôle important si une bonne gouvernance Walum, aussi lutte contre la corruption et lutte contre la fraude moo atelier c'est important gis nañ aussi collectivité. yi euh, li di wax souvent moy il faut nous renforcer capacité élus lui, ak ñu fay pour ñu améliorer sen gouvernance Si nous améliorer sen gouvernance dina impacter si sen ressources Si nous optimiser la gestion de nos ressources donc lolu aussi walu walu bu am et aussi nous wax du développement territorial pour le développement il faut déjà nous tenir compte certes les ressources mais aussi nous tenir compte sur gouvernance ressources d'autant plus que souvent recettes yi sont établies état bi di wàcc les collecteurs donc euh, si nous maîtrisons la question euh, question gérer les ressources, ressources yi euh, moytu la corruption ak Lucimel donc nous permettre véritablement de de de optimiser ni gérer cette collecte, donc nous a am résultat yu donc pour véritablement euh, véritablement population c'est un atelier qui est très important parce que ça parle justement de la corruption euh, et cela est important déjà dans le cadre du PSE le plan Sénégal émergent il y a notamment l'acte 3 euh, intitulé institution gouvernance paix et sécurité qui insiste sur l'importance de la bonne gouvernance, non seulement au niveau étatique, mais également au niveau des collectivités territoriales. Et donc aujourd'hui, il est ressorti dans la plupart des rapports que euh, les revenus des collectivités territoriales euh, peuvent être mieux gérés. Donc ce n'est pas généralement un problème de ressources qui manque, mais la question de la gouvernance donc, des ressources existantes est une réelle problématique. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que notre ministère travaille beaucoup sur la formation donc, des élus. Il y a déjà un centre de formation dans le ministère et le ministère aussi prévoit un important projet de construction d'un centre de formation donc, des élus pour mieux les outiller dans la bonne gouvernance donc, de leur collectivité territoriale.